Nous sommes jeudi 5 décembre 2024, chers auditeurs et auditrices, bienvenue à notre avant-dernier rendez-vous de l'émission Le Niger sur Kalangu de la semaine. Nous, vous nous écoutez à travers nos radios partenaires dans toutes les régions du Niger. Je suis Rekia Arimi, à ma côté, Mariam Adé à la technique. À Saini Isaka et Adama Dawaki à l'édition. Bonjour Mariam, comment tu vas Ça va très bien Rekia et toi Je vais bien Mariam. Dieu merci. alors, euh, rappelle-nous le programme de ce matin. Comme d'habitude, Rekia, nous offrirons à nos auditeurs un programme costaud qui commence avec le flash d'informations, une bonne musique 100% nigérienne comme toujours et évidemment le loti avec les femmes du studio Kalangu, la rubrique sport, la culture linguistique. Ensuite, nous ferons un tour à région. dans la partie entretien, nous irons à Zander pour parler des violences basées sur les jars dans cette zone. Sans plus tarder, Mariam, voici le flash d'information avec Rafika Taher. Bonjour, Rafika. Bonjour à toutes, comment vous allez Bien, et quelles sont les nouvelles du jour Alors, nous entamons ce flash d'information avec l'Association nigérienne de lutte contre la corruption Transparency International Niger qui a exprimé sa profonde indignation après l'arrestation de Moussa Tchangari, secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen survenue le 3 décembre à Niamey. Dans un communiqué publié hier, l'ONG exige sa libération immédiate et inconditionnelle tout en dénonçant la séquestration de sa famille par les autorités nigériennes selon lui. L'ONG a rappelé que le Niger a ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui garantit la protection des droits fondamentaux. Par ailleurs, la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation et la coalition des syndicats de l'éducation et de la formation professionnelle ont décidé hier, mercredi 4 décembre 2024, de lever leur mot d'ordre de grève de 48 heures qu'elles projetaient d'observer les 5 et 6 décembre 2024. C'était à l'issue d'une rencontre entre la ministre Elisabeth Chérif et le regroupement composé de la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation et la coalition des syndicats de l'éducation et de la formation professionnelle. Issouf Chérif, porte-parole de la dynamique, a souligné que les assemblées générales d'information se tiendront aux dates prévues afin d'expliquer la teneur du présent communiqué. Le grand producteur français d'uranium Orano vient de prendre un coup au Niger. Sans parler pour le moment de la nationalisation, le Niger a pris le contrôle opérationnel de la filiale Orano au Niger. Durant le conseil d'administration de la Somaïr, qui s'est tenu le 3 décembre, le Niger a notamment refusé que la filiale du spécialiste français de l'uranium exporte sa production. C'est dans un communiqué hier que Orano a affirmé que les autorités nigériennes avaient pris le contrôle opérationnel de sa filière minière au Niger. Et voilà pour le flash d'information de ce matin. Merci, bien, Rafika, pour toutes ces informations. Passe une excellente journée. Merci, Mariam. Comme annoncé à l'entame de l'émission, nous suivrons dans un instant un entretien avec la responsable régionale de l'ONG SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales des Anders, Madame Ouma Abani. Mes avances, et eh, Mariam, écoutons Ali Jibbo avec son titre Mugumagani. né le 9 mars 1949 à Birnin-Konni de la région d'Etawa. Ali a rejoint son premier groupe musical, l'Amical de Niamey, en 1972. Ali était le chanteur et le compositeur le plus doué du groupe. Les ambassadeurs se sont séparés en 1976. Ali créa l'orchestre Caravana, le Taya international de la capitale. Avec l'orchestre Caravane, Ali Jubo a changé la direction de la musique nigérienne. Il a été le premier chef d'orchestre à créer des arrangements modernes des mélodies et des rythmes traditionnels à Hausa et Zarma. L'orchestre Carnaval est resté ensemble pendant plus de dix ans. Le groupe a rarement joué dans, les bars de Niamey et n'a jamais sorti des LP ou des cassettes. À l'époque, deux groupes nigériens, c'est se rendu principalement au Nigeria et en Côte d'Ivoire pour enregistrer. 2007, son seul héritage enregistré sont les performances qui ont été captées par la radio nationale. Ces morceaux ont été enregistrés par la radio Voix du Sahel. Probablement au début des années 1980, le célèbre d'entre eux est Mougou Magani, qui, que nous écoutons en ce moment une interprétation lente et soula d'une chanson bien connue du chanteur traditionnel Hausa, Dangourmou Detawa. Ali Jubo rencontre l'histoire raconte plutôt l'histoire d'un ivron dont la vie a été emportée par la bouteille. C'était Moug Magani de Ali Jibo. À présent, chers auditeurs, entamons la première partie de notre entretien du jour. En effet, Rekia, selon la responsable régionale de l'ONG SOS Femmes et Enfants des Inders, Madame Ouma Abani, 4 mètres auxquels s'ajoutent plusieurs cas de violences faites aux femmes et filles sont enregistrés ces derniers mois dans la dite région. Écoutons la première partie de l'entretien qu'elle a accordé à notre correspondante Zara Boukar. Il y a plusieurs activités qui sont euh, programmées pour, en tout cas, euh, commémorer ces 16 jours d'activisme-là. D'abord, il y a eu le lancement, le 27, puis il y a eu des séries de euh, sensibilisation qui continuent dans les quartiers. Il y a eu une conférence, il y a à la au centre de prise en charge holistique, il y a eu une conférence sur les VBG et il y a des sensibilisations qui vont aussi se passer dans les établissements scolaires, puisque en milieu scolaire aussi on constate des violences. Et, il y a une caravane aussi qui va euh, être faite. Mhm. Alors, euh, quels sont les types de VBG les plus fréquents qui vous enregistrez au niveau de la région en tout cas, au niveau de la région de Zender, euh, nous, chez nous, à SOS, nous avons constaté deux types qui prévalent. il y a le DROS, ce que nous appelons le déni de ressources et d'opportunités de service. Et vous partez, vous laissez la femme sans entretien avec les enfants, c'est elle qui va se débrouiller. Normalement, c'est la tâche de l'homme. Donc, il y a une opportunité qui s'offre à elle, vous lui refusez cette opportunité. Donc, voilà ce que nous appelons le dross. Et il y a aussi euh, les viols les viols aussi, en tout cas, euh, on constate qu'il y a des viols. Et un autre type en tout cas qui a surgi à Zender. En 40 jours, nous avons eu quatre femmes qui ont été tuées, deux femmes et deux fillettes. Donc, vous voyez, c'est vraiment euh, très triste. C'est énorme. C'est énorme. Une seule personne qu'on perd déjà, c'est énorme. À plus forte raison, quatre personnes, quatre femmes, deux femmes qui sont des mères, une qui est une fillette de 6 ans euh, et une autre fillette qui, qui a l'âge de 15 ans. Donc vous voyez, c'est vraiment énorme. Alors euh, comment s'écarter ces violences Bon, et en tout cas, ces violences-là, on constate que ce n'est pas seulement ces deux types-là que je vous ai dit. Ça ne veut pas dire que les autres types aussi n'existent pas. Mhm. Il y a des violences euh, qui sont euh, des viols, comme je l'ai dit. On a eu huit cas mhm. de janvier à juin. Donc en six mois, nous avons 8 cas de viol, nous avons huit cas d'agression sexuelle, nous avons eu 34 cas de drosse, nous avons eu six cas de mariage forcé. Là aussi, c'est euh, une violence, mhm. puisque aucune religion n'admet le mariage forcé. Et nous avons eu aussi euh, 30 cas, en tout cas, de euh, femmes qui ont été euh, violentées physiquement, que ce soit euh, dans le foyer ou en tout cas dans la rue. Mhm. Donc, vous voyez, nous avons eu 101 cas. Si ça continue à ce rythme-là, ça veut dire qu'à la fin de l'année, on va être à 200 et quelques cas. Donc, euh, c'est vraiment énorme. Mm-hmm. Quelles sont les tranches d'âge concernées par ces violences En tout cas, c'est des filles, la tranche d'âge de, 6 ans, en tout cas jusqu'à 17-18 euh, ans, qui, ont, qui sont victimes de viol. Mm-hmm. Et les femmes battues aussi, ça va entre de 25 jusqu'à 40 euh, ans à 40 ans, être battu par un mari vraiment au 21e siècle, c'est inacceptable. Donc, Alors, à combien estimez-vous le nombre de VBG arrêtés cette année, par exemple Donc, moi, je peux euh, donner en tout cas un chiffre qui va autour de 202 si le rythme continue à ce que nous avons arrêté de janvier à juin, nous avons eu un cas, donc ça veut dire qu'à la fin de l'année, nous aurons x2, ça fait 202 cas, ce qui est énorme. En tout cas, ça c'est pour l'ONG SOS seulement. Pour les autres ONG euh, sœurs, je ne sais pas combien elles, vont, elles ont enregistré, mais ce qui est sûr que euh, les violences, en tout cas les femmes et les filles vivent ces violences-là au niveau de la région de Zender. Hmm. Quelle est la différence alors comparée à l'année dernière Bon, ce qui est un peu différent de l'année dernière, l'année dernière, nous n'avons enregistré aucun meurtre. Mais comme je te disais, cette année, en 40 jours, nous avons enregistré 4 meurtres. Donc c'est vraiment inacceptable. Les deux, c'est des femmes qui ont été en tout cas euh, et tuées. Et la, première, et le mari est sous arrêt. La deuxième, l'enquête continue. C'est encore devant la justice. On ne peut pas se prononcer. Mm. Et l'autre, euh, la petite fillette de 6 ans, c'est des enfants, euh, des, gens du quartier, des jeunes hommes du quartier, en tout cas 25 ans, l'un et l'autre à 14 ans. C'est les deux qui ont euh, tué la petite parce qu'elle a refusé peut-être d'être violée. Mm. Et la dernière, c'est une fillette de 17 ans mm-hmm. qui, a, qui été tuée par son frère suite à des coups qu'il lui a donnés. Voilà, chers auditeurs, c'était notre première partie de notre entretien. Avant de continuer, faisons un autre tour en musique. Tu nous proposes quoi, Maria? Gutomo avec son titre Wangara. Voilà, c'était euh, le titre euh, Mamar et euh, le titre Wangara de Mamar Kassé, Yakuba, Momoni Danke Danke. Chers auditeurs et auditrices, de la deuxième partie, Madame Ouma Abani, responsable régionale de l'ONG SOS Femmes et Enfants, nous parle de différentes causes de ces violences. Elle est toujours au micro de notre correspondante Zara Boukar. Quand la violence a déjà eu lieu, nous, nous investiguons et euh, nous essayons de faire entrer la survivante dans ses droits. Et avant que ça n'arrive, nous faisons de la prévention, hmm. nous faisons de la sensibilisation. Et quand on nous amène un problème de couple, nous faisons de la conciliation pour qu'il n'y ait plus, en tout cas, ces violences-là. Mm. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous faisons de la prévention, nous faisons de la conciliation et nous faisons de l'accompagnement quand la victime dit qu'elle veut être dans ses droits. Mm. Il faut qu'elle soit dans ses droits. Donc nous l'accompagnons devant les juridictions, que ce soit coutumière ou bien les juridictions au niveau des tribunaux. Selon vous, quelle est la cause de toutes ces violences Les meurtres, les viols en tout cas, d'abord, un, il y a euh, la consommation de stupéfiants. Les jeunes sont, en tout cas, ça donne à la consommation de, stupéfiants qui les rendent, en tout cas, inconscients. Ils peuvent poser tout acte. Ce n'est pas leur problème. C'est maintenant, après, quand ils se que qu'ils vont voir ce qu'ils ont fait là n'est pas, euh, bon, ce n'est pas acceptable. Mhm. Et d'autre côté aussi, il y a euh, l'impunité c'est-à-dire, moi, pour moi, les peines sont trop légères. Il faut vraiment, quand il s'agit de viol, quand il s'agit d'abandon de famille, il faut taper fort pour que les gens sachent que c'est des fautes très graves qu'on ne peut pas accepter dans la société. Et comme ça, les autres, ça va être une école pour les autres qui ont l'intention d'agir, euh, en tout cas, comme cela là. Même l'agression sexuelle doit être punie sévèrement même s'il n'y a pas eu le viol, le fait même d'agresser, de harceler, en tout cas, ça doit être tapé, euh, la loi doit taper fort mhm. pour que, en tout cas, ça serve de leçon aux prétentieux candidats. selon vous, comment lutter contre euh, euh, la recrudescence de ces violences, surtout les meurtres que vous avez eu à évoquer Moi, euh, j'allais dire, et euh, c'est un appel que je, voulais faire à l'État, c'est de réviser nos textes. Nos lois là ne fonctionnent plus, c'est des lois des colons qui nous ont imposées. Donc, adaptons nos lois à nos réalités. Revenons en tout cas sur terre, laissons les, lois françaises là des, des colons de côté et adoptons nos propres réalités. Nous avons des lois, le Coran a tout dit. Mm. Si euh, on s'arrête seulement à ce que le Coran a dit, il n'y aurait aucune violence aujourd'hui. Parce que c'est la loi, en tout cas du talion, Dans contre dent, œil pour œil. Mm. Donc, si en tout cas on essaie euh, d'appliquer la charia, je t'assure, il n'y aura aucune violence. Mm-hmm. Personne ne va euh, s'exposer en tout cas à ces peines-là que le Coran a prescrit. Et notre rôle, ça s'arrête l'accompagnement puisque nous ne faisons pas de jugement. Mais nous faisons des, nous donnons des conseils, nous orientons et nous accompagnons. Donc nous les avons accompagnés, les cas euh, sont devant les tribunaux. Donc on attend maintenant euh, que la justice, en tout cas, euh, se prononce. tout à l'heure, vous avez parlé des sensibilisations que vous faites à l'endroit des femmes. Comment vous faites cela Bon, nous allons dans les groupements féminins, nous causons avec les femmes nous amenons le sujet des VBG et euh, elle-même, elle même elles disent ce qu'elles sont en train de vivre et nous, nous leur conseillons les attitudes à prendre pour ne plus être, en tout cas, euh, pour ne plus vivre avec ces violences-là. Mhm. Et dans les écoles aussi, nous faisons des sensibilisations et pour que, en tout cas, à milieu scolaire aussi, il n'y ait plus de euh, violence. Mhm. Parce que euh, le milieu scolaire aussi, on constate là aussi qu'il y a des, la consommation des, en tout cas, des stupéfiants mhm. qui fait que les filles parfois et sont en tout cas euh, violentés. Donc euh, nous, voilà comment nous agissons. Mhm. Et dans les quartiers aussi, nous nous adressons aux chefs de quartier avec qui, donc devant chez qui nous appelons en tout cas des hommes, des femmes et nous causons en tout cas de la violence. Il ne faut pas que ça soit un tabou. Quand la femme est violentée ou quand euh, l'enfant est violenté, il faut vraiment dénoncer. Même si l'enfant, lui, ne peut pas dire je suis violenté, il faut dénoncer parce qu'il faut qu'il sorte de cette euh, situation-là. Alors, à la fin, est-ce que vous avez un appel à lancer, que ce soit à l'endroit des parents ou bien des femmes qui sont euh, couramment violentées ou des jeunes filles En tout cas, moi, le premier appel que j'allais faire à la population, c'est de dénoncer quand on voit un acte de violence, en tout cas euh, dans un environnement, il ne faut pas se taire. Si la personne se tait, ça veut dire que la personne est complice. Et être complice, ce n'est pas bon. Vous pouvez sauver en tout cas euh, des personnes d'une situation indésirable. Et si vous vous taisez, donc la personne va continuer à vivre et elle ne sait pas comment faire, donc euh, vous n'avez pas contribué en tout cas. Que chacun en tout cas qui est témoin d'une violence dans son environnement, il n'a qu'à dénoncer. Que ce soit à l'ONG, que ce soit au FDS, personne ne dira qu'un tel est venu nous dire ceci, cela. La source de l'information a toujours été protégée, que ce soit chez nous, à l'ONG, que ce soit chez les FDS, on protège la source de l'information. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Mariam, dans notre République hebdomadaire d'aujourd'hui, nous abordons une question qui suscite euh, de nombreuses préoccupations chez les parents. Quel est l'âge idéal pour offrir euh, un téléphone portable à un enfant Ousmane Mahmoudou, responsable du desk numérique et rédacteur en chef adjoint du studio Kalango, nous éclaire sur ce sujet. Le choix de donner un téléphone dépend de l'avantage de l'utilisation prévue que de l'âge de l'enfant lui-même. Euh, si le téléphone est principalement destiné à prendre des photos, jouer à des jeux simples et passer des appels vidéo supervisés. Cela peut être euh, très différent de donner un accès euh, Internet euh, à un enfant non surveillé. Donc pendant la période, par exemple, si l'on prend de l'école primaire d'un enfant, il est très probable que ce dernier soit constamment sous la surveillance d'un adulte. Il se trouve soit à l'école, soit à la maison en compagnie d'amis et d'adultes de confiance donc euh, ou avec euh, d'autres membres de sa famille. Il se peut que la nécessité de communiquer avec un adulte distant ne soit pas aussi cruciale à ce stade euh, de la vie de l'enfant. Donc, mais il revient à chaque parent de prendre en considération les besoins particuliers de leurs enfants. C'est une perspective intéressante. Quand les enfants peuvent-ils avoir un téléphone avec accès Internet selon vous Selon le professeur, généralement le passage du primaire au collège est un moment clé. Donc il dit qu'à ce stade, les enfants peuvent commencer à s'impliquer dans des activités en dehors de la maison, ce qui peut nécessiter un moyen de contacter leurs parents. Donc beaucoup reçoivent leur premier téléphone à l'entrée en sixième. Et euh, une fois euh, que les enfants ont un téléphone, comment pouvons-nous assurer leur sécurité en ligne Alors la sécurité en ligne, elle est cruciale. Donc les parents doivent euh, vraiment avoir des conversations ouvertes sur les risques numériques euh, sans dramatiser, évidemment, sans faire peur à l'enfant. Alors le chercheur dit aussi qu'il faut rassurer l'enfant, euh, lui dire qu'il peut venir euh, avec ses problèmes sans crainte de réprimande. Donc il ne faut pas que l'enfant ait l'impression qu'on va le punir si on découvre quelque chose euh, ou un problème sur son téléphone. Il faut aussi établir euh, des règles sur les applications autorisées et explorer les paramètres de confidentialité euh, qui sont des étapes très importantes. Alors, que penser de certains parents qui se demandent s'ils devraient surveiller le téléphone de leurs enfants Avant tout, le professeur privilégie vraiment la discussion. Il faut discuter de façon ouverte avec l'enfant. Une supervision vision parentale peut être euh, justifiée pendant l'école primaire. Cependant, lorsque votre enfant grandit, il peut ne pas vouloir que ses parents voient tous ces messages et toutes ses interactions en ligne. Sachant aussi qu'il y a la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant qui stipule clairement qu'un enfant a aussi le droit au respect de sa vie privée. Alors, euh, géocaliser son enfant, est-ce une bonne idée Alors, c'est tentant, mais cela dépend des familles. Euh, donc certains le font de façon ouverte, d'autres trouvent cela un peu effrayant. Donc la question qui se pose ici est de savoir si les parents s'assurent que leur enfant est en sécurité ou s'ils veulent savoir à son insu ce qu'il fait en ligne. Donc c'est deux choses différentes. Il convient également de se demander si ce type de technologie n'est pas en réalité faussement rassurante elles permettent aux parents de savoir où se trouve leur enfant, mais pas nécessairement de savoir s'il est en sécurité ou ce qu'il fait. Voilà, chers auditeurs, c'était là notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'éducation. Écoutons encore de la bonne musique nigérienne, rien que pour vous. Voilà. <laughs> need it when les titres Wanda Kena, Wanda Berry, Nana Ayubanya. Place à présent à l'écho des régions qui nous amène à Maradi. En effet, Mariam, euh, une réunion régionale sur la libération des, des champs s'est tenue le 24 novembre 2024 à Dakoro sous la présidence du gouverneur de la région de Maradi, en présence des préfets, des administrateurs délégués, des chefs traditionnels, des services techniques et des autres acteurs locaux de la région. Après un débat approfondi et une consultation des propositions des différents départements, il a été convenu que la date de la libération des champs pour la région région de Maradi est fixé au 31 décembre. Toutefois, un cas exceptionnel a été retenu pour la commune de Bermont où la libération des chiens aura lieu le 20 décembre 2024. Le reportage est signé Adamou Moro. A kowace shekara ana gudanar da babban taro na jiha wanda za a keɓe ranar tada gonaki a cibiyar fada gwamnan jiha Maradi. Sai dai a bana ta sake zane inda aka buƙaci a rinka zagayawa a cikin gundumomi daban-daban domin gudanar da wannan zaman taron. A bana da ƙorace ta karbi wannan babban zaman taro wanda ya haɗa dukkan ma'abuta noma da kiwo kama daga Prefe Prefe na jihar Maraɗi. Ade, sarakunan gargajiya da wakilan manoma da makyaya da ma'aikatan gwamnati musamman ma ɓangaren noma da kiwo domin aka ba da labarin yadda karkarar bana ta kasance a cikin jihar Maraɗi baki ɗaya. A nan ne aka keɓe ranar 31 ga watan Disamba ranar da za a tada gonakin jihar Maraɗi illa jihar Bermo da aka keɓe ma ranar 20 ga watan disamba. Kanto mara jihar Maradi, cewa da guverner, controller de police Isufu mama ya yi bayani kamar haka. Abun da ya rage gare mu shi ne na jawo hankalin jama'a a ita sako kowa ya san ga ranar da aka tsaida ta bude daji. Na biyu shi ne shugabannin guduma ya kamata a matakai. Matakai shi ne a sa jaman tsaro biskan wannan yankin saboda a kiyaye ka amma manoma ɓanna wannan lokacin bai kai ba amma idan aka tsaye ga wata daji ya zanna kowa kowa ya zo ya amfani da abin da ke da kowa a ciki kenan ya kamata tun da wuri ko da kun sani ba yau ba ne yau sati biyu ko zuwa uku na ba ku wani umarni da cewa a sa jami'an tsaro su santiri tsakanin yankin noma da yankin kiwo saboda a tabbatar zaman lafiya da kwanciyar hankali saboda zaman lafiyar da ke gare mu yau shine arzikin mu na daya inda ba zaman lafiya ba kwanci hankali watakila da babu gamuwa nan a da kwaro har mu yi wannan muhawara ba yayin da a nasu bangare kungiyoyi daban-daban na manoma da makiyaya sun dauki alƙawalla kama yadda dukkan mahalarta zaman taron suka dauki alƙawalla na cewa za su kai sako inda ya cancanta kuma za su aiwatar da dukkan abun da zaman taron ya tsaida. Mu mun dauki alkawari da cewa abin da aka zartar da shi wurin wannan taron na jiha ba za mu rage ko da alamar shaidawa ba za mu kai saƙo kamar yadda yake ga dukkan manoma da makiyaya. Ranar nan ta talatin da ɗaya ga watan Disamba wanda duk bai hidda kayan shi ba to kai can shi shi yama kan shi saboda jiha ɗaya kawai aka hidda da cewa Bermo zuwa 20 ga watan Disamba suna sannan yake karewa. Alkawali na biyu shine cewa idan mun ga wani abu mu aikinmu mu je mu sanar in muka sanar da hukuma to mun biya kuma za mu sa manoma da makiyaya duk wanda ya ga wani abu wanda ke bai gane shi ba ko bai mishi daidai ba to ya gaya mana mu za mu zuwa mu maga ma waɗanda hakkin yara ta yi busa su na su ɗauke hukunci. To abin da nika cewa da sai mu ce alhamdulillah mun gode ma wannan gwamnatin sojoji nan sun kula da mu makiyaya sosai komai da za a yi ana yi da mu kuma mun ji daɗi kuma ga shi ma an yi taron nan bana an yi kusa ga makiyaya an yi su jiha da ƙoro da maraɗi ake yin su duka wani makiyayi ko da ba a gayyace su ba ya jo jaji abin da an ka yi kuma an jo kusa ga manoma da makiyaya kenan daga nan ma sai mu ce mun ji daɗi kwarai muna fatan wanga sakin gonaki da zai huskanto muna kira ga makiyaya kamar yadda sarkin lalle ya yi magana magana ne wanda ta raƙe mu sosai ya yi magana bisa ga uwayen mu sarakuna da suka wuce ya ce don Allah a tsaya bisa gaskiya tunda mun gane duka anan sarakunan da sun kai aiki da su yanzu babu su kuma sun noma gaskiya suke wanga ƙasa na mu da dokoro muna kira ga makiyaya duka ba na dokoro ba na bermu ba na ƙasar Nijar duka muna kira gare su su tsaya su bi gaskiya komi da za ka yi in babu gaskiya to banza ne makiyaya bana Allah ya bamu damana ya sabka sosai wannan ma gonaki da ake tarewa namu ne ba na wasu na ba kuma mutane su gane da kiyawa wani abu su manoma da makiyaya an ke duka ɗaya ne a tuni wannan zaman taron shine na farko da aka soma shi a cikin jihohi inda masu martaba sarakin gargajiya suka jinjina ma wannan dubara wadda controller du police governor na jihar maraɗi ya hido Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'ère du sport et notre chroniqueur sportive Saru Adam est avec nous dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour Adam. Bonjour Marianne, bonjour Rakia. Alors, Adam, nous continuons avec les préparatifs de la lita traditionnelle. Où en sommes-nous à un peu plus de semaines avant le début du championnat du sabre national de Dosso eh bien oui, pour ceux qui nous écoutent depuis lundi, nous avons mis en place euh, une petite caravane avec un tour des régions. L'objectif est de voir comment les lutteurs se préparent dans leur région avant le début du championnat national à Dosso prévu du 20 au 29 décembre 2024. Aujourd'hui, nous partons à Gadez où les 26 lutteurs sélectionnés pour représenter la région au sabre national sont en préparation depuis plusieurs semaines. Cette année, la majorité de lutteurs d'Agadez sont des nouveaux et sont de nouveaux venus et des jeunes selon Abdraman Moussa, directeur régional de la jeunesse, des sports et des arts. On l'écoute au micro de notre correspondant Moussa Maman. Cinq euh, départements qui ont compétit au niveau des éliminatoires régionales. Et sur les 26 lutteurs, il y a des anciens, quelques anciens, il y a trois ou quatre anciens. Mais tous c'est de nouveau Et je pense qu'ils peuvent relever le défi au niveau de la région. Au niveau de la maison ouverte, ils sont très bien en charge. Les autorités régionales sont à pied d'œuvre. Ils ont fait déjà beaucoup. Toutes les dispositions, leurs couchettes euh, l'hygiène des lieux et leur alimentation, tout va bien présentement. Tout est disponible. Il y a un entraîneur que nous avons pris, qui est avec eux. il y a trois encadreurs aussi qui sont avec eux. Ils font leurs activités sportives le matin et le soir. Ils ont fait la visite, comme on dit, la visite médicale. Il n'y a pas de problème. Je pense que sont à mesure de relever le défi et on aura des résultats, Inch'Allah, au niveau de la région d'Agadez. Et l'appel que j'ai lancé à l'endroit de la population, c'est de soutenir ces lutteurs jusqu'au bout il y a eu des transferts au niveau de la région de Dosso de Gaïa et au niveau de la région de Zander aussi. Je pense qu'ils ont complété la liste. Adam, pour finir, parlons à présent football avec euh, le dernier tour des éliminatoires du champ 2024. Eh bien, le Niger et le Togo se préparent depuis quelques semaines pour une double confrontation, la troisième de l'histoire entre les deux nations pour la même compétition. Les officiels de cette double confrontation entre le MENA national et les éperviers locaux du Togo ont été désignés par la Confédération africaine de football. Le match aller est prévu le 22 décembre 2024 à 16h JMT au stade de Kégué Alomé et sera officialisé par l'arbitre Jean Ouattara du Burkina Faso. Il sera assisté par Dauphin Adolphe, Daouda Traoré et Vincent Kabore, tous de nationalité burkinabé. Le match retour est prévu le 27 décembre 2024 à 16h GMT au stade du 26 mars à Bamako. Chers auditeurs, c'est la fin de ce numéro sportif. À demain pour d'autres informations sportives. Merci. Merci bien, Adam. Euh, à présent, on a qui est l'étoile du jour Ah voilà, donc le, le, portrait de ce jour nous amène à, à la rencontre d'un jeune artiste nigérien. Restez branchés pour en savoir plus sur euh, lui dans ce reportage réalisé par Mariam Adé. Âgé d'une vingtaine d'années, Thème Noir est lancé. Bachir Mati Issoufou, communément appelé Shoba, a embrassé la musique de le bas âge. Il a commencé par la danse et aujourd'hui il a conquis le cœur du public avec la chanson Tonka qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. J'ai commencé la danse avant la musique et un ami danseur m'a totalement aidé à être dans la musique. Mon inspiration c'était d'abord ma mère, mais mon entourage et moi-même ma vie. Non, j'ai juste passé deux ans au Nigeria. J'ai commencé euh, ici au Niger. L'évolution vraiment concrète, c'est ici. Shoba est un artiste engagé. Il se dit fier de ce qu'il fait, bien qu'il rencontre quelques difficultés dans son travail. Cela ne l'empêche pas de se donner à fond dans tout ce qu'il fait. Euh, par exemple, il y a le soutien social qu'on aimerait que chaque artiste adorerait avoir euh, le soutien du pays et tout le monde et aussi le soutien euh, financier. Par exemple, avec euh, le ministère, donc tout est bloqué vraiment. On avance totalement tout seul. Et aussi les partenaires qui ne nous prennent pas au sérieux, qui pensent qu'on est là juste pour délinquer. Alors qu'en réalité, euh, c'est un truc gagnant-gagnant. Voilà. Un ami à l'artiste Choba nous en dit un peu plus sur lui et sur ses chansons. Bon, il y en a pas mal de gens qui écoutent seulement la musique, mais quand tu écoutes, tu fait des d'écouter ce qu'ils disent. Donc c'est comme une sorte de message et l'envoi, Il y a certaines de ces musiques, c'est par amour de ce qui se passe entre le couple. C'est comme des conseils quoi. Hein, par exemple, tu peux prendre ton cas, ton cas ça, ça parle totalement de l'amour. Comment est l'amour Parfois c'est bon, parfois ça casse tête, Pour Shoba, s'entraider dans ces moments difficiles qui vit notre pays est primordial. Voilà, c'était le portrait de Shoba. Merci bien, Myriam, pour ces portraits. Chers auditeurs, auditrices, faisons une autre balade avec le son chakou Chaku de l'ancien orchestre, orchestre Gez Banda d'Arlit de Agadez. katika allo Voilà Mariam, euh, c'était Tchaku Tchaku euh, de l'ancien orchestre jazz Band d'Arleta. Place euh, aux femmes du studio Kalango pour le lot du jour. Le loti du Desk Femme du studio Kalangu nous édifie aujourd'hui sur le comportement de certains maris à l'égard de leurs épouses. Il s'agit de maris pingravara qui ne donnent pas un sou à leurs femmes. Subhanallah. <laughs> ok, écoutons Fanta Chamsou et Semira Rouafi sur ce sujet. Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Matsukiji. Assalamu alaikum ƙaunata. Wa alaikum salam yaya, sannin ki da zuwa. Yauwa, ya kike? yi a da mai gidanki? Alhamdulillah yaya mun gode wa Allah. To madalla, kin san abin da ya na zo gidanki yau. Dan in sanar da ke ne yar uwar mu Fatima. Ta samu karuwa. Kenan ya kamata ki shirya mu mu gani ta damu mata barka. Kuma ranar biki zan zo da kai na ɗauke ki dan mu tare. Saboda duk dangi ana kuka da ke na cewa baki son zuwa wurin sabgogi. Hmm, yaya, kin san ni ba ta hiya sabgar bane ban su. Ba ni iyawa ne, shi yasa. Ban gane ba, kamar yaya baki iyawa, mijinki ne ke hana ki zuwa koya? A'a, ba wannan ne ba. To mine ne matsala? Ke dai yaya, a bar kaza cikin gashinta. Wace irin matsala ce za ta iya cin ki da baki iya gaya mini ni da yaya ki sai ki ce ki ɓoye mini? Yaya, kakki manta a lokacin aurena kun sha jan kunnena akan cewa in yi haƙuri in ruha kaina asiri a cikin kowane irin hali. Haka ne, amma akwai wani hali da dole sai ke yi magana. Ke dai yaya yanzu ki haƙuri, na yi son in yi shiru da bakina, in yi ta ci gaba da haƙurin. To shi kenan ba ni matsa miki, amma ki san da cewa ina nan zamna sai mijinki ya to ya gaya mini ko ne. A'a a'a yaya ba sai kin yi haka ba don Allah. To yi magana mana. To na ji, yanzu dai in ce tun yaushe kika san ina cikin gidan aure. Shekara bakwai in ban mance ba, don me kika tambaya ta? Ina zuwa ke dai. To yanzu kuma tun yaushe kika san na rasa aikina. Shekara hudu yanzu ko? To sai tambaya ta ta ƙarshe. Tun yaushe kuka gani bani nan ga tahiya bukukuwa na cikin dangi. Tun da kika rasa aikin ki, ba ni bani nan ga ganewa. Me kike son ki kwatanta mini ne? To di ba ki ga yaya. Yanzu shekara bakwai kenan da nake gidan aure. Mijina biye bai taba ɗauka ya bani ba. Mutumin nan yaya bai bani ma kuɗin mai. Bale in ka miki zancen tuhwa ko kuma wani kuɗin taksi. Ke bar ma in gaya miki. Dala ɗari tashi ka bani kowace sahiya mu yi kayan miya da ita duk abin da ga ina yi yaya cikin albashi na nake yin shi yanzu kuma ba ni da aiki ya zan yi in ba in koma ga Allah ba mina ban gane ba amma wasa kike yi mijinki musulmi ne kuwa hmm, sosai ma yaya yana daga cikin waɗanda har misalin su ake badawa a fagen addini Allah sarki kenan to bai san da cewa ba mace namiji ne ya kamata ya ci da ta ya bata muhalli ya yi mata tuwa kuma ya kula da ita ai ya sani sarai amma babu kalmar da ta birge shi kamar ni ba kuɗi gare ni ba amma waje yana dai in dararo. Kauna ta bari ba a wasa da irin wannan abu har da sheri kina mishi sheri. To kin ga me yasa ni so in yi shiru da baki na ku dan na san ke da kanki yayata ba yarda zaki da ni ba. To ina da wani na na ba ma labarin nan. Saurara ke ji ba wai ban yarda da ke bane kawai abin ne in na tsaya na yi nazarin shi sai in gan wai ba mijinki bane ba iya yi haka nan bawon Allah irin kirkin shi. Hmm. amma kin gani ko aikin shi kenan ke yaya akwai ranakun da hatta ɗan sabilin nan na wanka ba mu da shi ke yanzu zancen da nake miki ma irin bashin da aka yi na Allah masani duk abin da ni tara na kashe shi cikin abinci yanzu sai ni ce cin bashi nan cin bashi can a'a zuwaiga bar gaya min haka duk wannan lokacin kina cikin wannan matsala kuma ki rike ta makanki baki gaya ma kowa ba baki gaya ma waɗanda ke iya yin wani abu ba wallahi gani nake kowa ba zai yarda ba idan na kai wannan kuka amma yanzu da ki taho har na gaya miki har na ji saka yau ki tahiya ma za ni in sanar da magabata na saboda bani iyawa yaya na gaji yanzu duka na fahimci abin da ya sa kika rame ki yi duhu ha ba ji ki hmm, zancen kike so yaya matsaloli ne suna nan sun cinye zuciyata ai kuskuren ki shine da ki shigo cikin wannan halin shawarar da zan baki kin riga kin ba kanki ita ita ce ki ta ki gaya ma magabata tsohi su ɗai ne za su samu su shawo kan wannan matsalar. Ai haka zani yi yanzu yanzu nan, amma ko za ki iya ramta min ɗan kuɗin taksi? Hmm, babu matsala, amshi shiga jika goma, tashi in ta yin rikaiki. To yaya, na gode sosai, Allah biya ki. Amin. Merci les filles pour les sages conseils. Suivons maintenant à li pour la culture linguistique. Euh, le mot du jour est Esclavage. Bonjour Niali. Bonjour Niali. Bonjour Rakia, bonjour Mariam. Bonjour. chères auditrices, bonjour chers auditeurs du studio Kalangu. Nous sommes dans notre rubrique culture linguistique. Et notre mot du jour, comme nous l'avons déjà annoncé, est l'esclavage. Ce mot a été expliqué en français, en anglais, en haussa, en germain. Et aujourd'hui, nous allons l'expliquer en fulfulde. bandiraɓe barkinaɓe on jaɓɓama dow sigilaji niger sur kalangu sigila dundi fa hannde mo nder mum min nantinda kongi hannde alkamisa joyi lewru décembre hitan du ɓujana ɗiɗi e lasso e nayyi konngol ngol min nantina konngol françire kam wiyete esclavage nder fulfulde duubi en maccagako ɗiɗi lewru décembre hitane fuu ɗum waɗata batu ñalowma durude timminde maccagako nder leyɗe duniyaaru nder batu ñalowma o duni fa hannden iɗum waɗa pirtol ko'e ko watta duni fa hannden ɗum acci gollinde himɓe tawe duni fa hannden himɓe ɓe anndan gollinaɓe ɓe anndan keɓa barke golle maɓɓe fodde no haniri ɗum acca duni fa hannden gollinde cukaɓe famarɓe dewlinde cukaɓe sembe sembe na mawɓe duni fa hannden ganda eɗen andi no woodi mawɓe goɗon ɓe ɗum dolɗinta dewlude moɓe giɗa ɗum duni durwogon anndan no durwa ko watta duni fa hannden ɗum acce on acca duni fa hannden accude adude duni fa hannden cukaaɓe famarɓe wattude ɓe nder orɗe sogeji yaruduɓe tokkunu ngam hannden nde en daari ni ko wona no waɗi duno ɗum acca dalila batugu duni fa hannden duro majjum windude naabi en wi'ude sukaaɓe debbo na gorko jofa ɓalli mumen duni fa hannden waɗire nogon ngam ɓe kokke gollal nder macca gaku himɓe no torre himɓe no kolle golle hirñere no piye no barmine woɓɓe duni fa hannden no kaɗe janngude jannde lokkolde e enda ndenne onon kettinaniɓe sigilaji niger sur kala ngu e sigilaji studio Kalangu, ngu en duru heɓude mosola sarɗonanɗa enden caka yimɓe meɗen e caka yimɓe tawaɓe duni fa hannden takkol meɗen ɓe enda ɗo du min daranto on barkini fa rakia oui. en kanuri on appelle fa Fayoto, on uh, dit Setouchia. Ah, saitouchia ou mm. Donc saitouchia <laughs> voilà tout pour aujourd'hui. Merci. À bientôt. Merci Nelly euh, pour ces éclaircissements. Merci, euh, euh, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir des explications en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou même en folfolde, n'hésitez pas à nous laisser un mot au 82 89 89 64. Justement, Rekia, il est temps pour nous d'écouter nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. ana yin buzanci ana yin hillanci ana yin hausa ana yin zabarmanci ana yin horanshi walla duk an ga abu sai sun kare duk guda biyar sa anan kashe radio na ta shirin sai ban taɓa sauraron shi ba amma shirin marice wannan ba shi bari na duka sai na sauraron su duka da muhawara insha Allah walla kuna waye mutane kai kwarai wani ce mai sauraron radio kalangu shina birge ni duk ina gaida masu journalist ina duka masu abin reportage in radio kalangu da na Hausa da na zabarmanci da na hillanci da na horanshi dan zamar man duk ina gaida kowa da kowa kuma ni mai sauraron ku ce ɗari bisa ɗari. Kuna sauraron shirye-shiryen studio Kalangu? Kuna nan ga sauraron su. Wanne shirye-shiryen kuke saurare? shirye shiryen ƙarfe biyar zuwa shida. Mm. Wani shirin ya ƙayatar da Shirye-shirye suna ƙayatar da mu musamman dai labaru da muka ji. da wanda musai ba muna kawa yotowa da gare. Kuna ƙaruwa da su kuna samun wayewa? A muna samun wayewa gaskiya. Ina gaida um, ma'aikata ne na tambara kalangu na gaida ma'aikatansu maza da mata asmanu shi na hau suwaira ce daga nan gatawa awa sunana mahmud anan nake tsakiyar birnin maradi na nan kasar mata na jamhuriyar nijar na akan radio studio kalangu eh, shine akan shirye-shiryensu kan shirin ra'ayin nan na tattauna na muhawarori da ake yi wannan yana nishaɗantar da ni kuma ana faɗin abin da ƙasa ke bukata da yawancin al'umma wanda suke bukata na samun yanci da sauran kwanci hankali da nishaɗi ba tare da bata lokaci ba na gode allah ya tsari allah ya sa alkhairi allah to gaskiya yana gaida shugaban ƙasanmu jagora wanda muke sa ran tsakani da allah yake yi a matsayin shi na mai kishin ƙasa president Chani. Sunan malamin Yahuza mai turare a garin Maradi. Gaskiya Studio Kalangu kamar yanayin tambayoyin da ake ma jama'a kuma da sauran ƙarin ilimi ne a mutane kuma hakaɗin ci gaban ƙasa ne abu ne wanda ya riga zamana idan ya haɓaka kowa da kowa zai amfani shi sirri shiri na suke yi muna jin daɗin su saboda kullum ana kawo wasu tarifi ma wannan abubuwa da wanda suka zuma da wasu rahi wanda aka gaya mai muna jin daɗin su alhamdulillah a to muna gani duk masu sauraron su dai kalangu eh haka ne sunana sabiu ibrahim garin maraɗin nake yani eh, sana'a ta kasuwar turare nake yi eh gaskiya shirurrukan su mu dai muna jin daɗin shi bakin walwalo gaskiya shirin su yana samu nishaɗi da jin daɗi da abubuwan da suke yi masu ƙayatarwa bakin walwalo gaskiya muna jin daɗi akwai kane na yahuza kuma akwai yana yahuza da malam isa ina gaida malam hamus shi ma dai mai turaren wuta da kuma 'yan rediyo kalangu ga baki su ba sai da wani ba ina gaida su ga baki ɗaya sunana jamila sharkiya na kasance ma'abuciyar saurara duk wasu abubuwa da studio kalangu suke zartaswa sosai muna jin daɗi akan irin gudunmuwa da suke badawa musamman ma ta fannin tarbiyya musamman ma ta jan hankalin matasa da kuma su kan iyayen yara da kuma shirye-shirye daban-daban wanda suke yi wajen waye kayunan al'umma wajen kuma ƙara haɗa kan matasa gaskiya studio kalangu sosai da sosai tana yi mana abubuwa daban-daban wanda muke jin daɗin shirin kuma muna bibiye da su sosai da sosai na fito daga cikin kungiya ta masu kira da saurare na afirka reshen da magaram kuma bugu da ƙari na kasance shugaba ce ta association de jeunes pour la lutte contre les chômage a jlc gurin zuciya Nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur le Kalangu. Vous étiez en compagnie de Rekia, en de Arimi et Mariam Adé. Rendez-vous demain, plus à dire. À la technique, nous avons Sene Isaka et Adam Adawaki, notre chef d'édition. Excellente journée à vous.